salaamaaleykum xarit toi qui passe par là maa ngi lay nuyu bu baax te it di la ñaanal jàmm ju bari te sax je me présente Hadija Sow jeune sénégalaise de vingt 27 ans comme ni ngeen ko déggee nag ci épisode d'introduction bi j'ai décidé de lancer ce podcast car j'ai à cœur plein mais plein de sujets de situations que je traverse au cours de ma vie de ce voyage sur terre Et quand cela se passe, je peux vous garantir, les amis, que j'ai pas toujours les outils ou le bagage nécessaire me permettant de faire face, de rester forte résiliente en toute cause. je me rends compte que je suis pas seule dans cette situation, car rien qu'en discutant avec mes amis, ma famille, je me rends compte que Beline aussi. Malheureusement, en tant que Sénégalais, on n'a pas forcément cette notion de communauté de safe space. Et souvent, yit amuñu yenn proximité ak suñu parents yi, frères, Et il y a toujours cette petite pudeur qui viendra créer une barrière de telle sorte que suñuy traverser lu metti sax on préfère le garder pour ñun wala wax ko suñu xarit yi wala yi di ko partager ci réseaux sociaux yi via des anneaux là encore malheureusement c'est pas la meilleure des solutions car ñun ñëpp gis nañ conséquences yi siy juddu cette plateforme en tout cas nous permettra de traiter de sujets que beaucoup de jeunes traversent afin que nous sachions que, aussi grands que les challenges de la vie puissent paraître, ils valent la peine d'être vécus. Ils valent la peine d'être expérimentés et cela pleinement. Car leçon yi ñu si jëlee du jeex te nag du sa xaaj. Aussi ñu fàttaliku ni que lu yoon bi metti metti ak lu mu lëndëm lëndëm ne jamais douter que viendra un jour où on retrouvera la lumière. Donc objectif bu podcast bi c'est de permettre à tout jeune de plonger dans la recherche de la réussite dans cette vie mais également dans celle d'après Inch'Allah. D'essayer d'être une meilleure version de soi-même tous les jours, a work in progress comme diraient mes amis English à qui je fais un clin d'œil. Et donc Inch'Allah, allah euh, ce sera des solo épisodes toutes les semaines, mais également des épisodes avec des guests qui pourront être des gens avec une bonne connaissance de la spiritualité bien sûr et du des professionnels de santé ou tout simplement des gens qui m'ont inspiré à travers leur parcours de vie, mais également leur parcours professionnel et qui j'espère à votre tour vous inspireront. Donc sans plus tarder, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pentimi et en attendant, prenez soin de vous et que la paix soit avec vous où que vous soyez. Plein de bisous.